la, presse, les journalistes, vraiment d'être venus en, grand nombre pour couvrir ce point de presse. Je suis le colonel Jean-Bertrand Bocandé, euh, directeur de l'administration pénitentiaire. Je suis avec, euh, à ma droite, euh, l'inspecteur Maïsar, qui est inspecteur régional de l'administration pénitentiaire. Il a sous son commandement les huit prisons de Dakar. Donc c'est le régional de Dakar. À ma droite, j'ai le médecin commandant euh, Famara Sek, qui est médecin-chef de l'administration euh, pénitentiaire. Euh, notre communication de ce matin va comporter deux parties. Je vais faire la première intervention en Wolof. Pour la deuxième partie, je vais laisser le soin à l'inspecteur Mbaissar, inspecteur régional de Dakar, vous lire la déclaration. Si ça vous va, est-ce qu'on peut continuer Voilà. Donc, euh, ah, Djeredjef, Bamtoad di nuyu ñu ñuy ñuy ak vraiment di di jaajëfal euh, presse bi ak euh, taskatu xibaar ah, ñu ñu suñu waxtaan dëgmal euh, xam ngeen lu tax ñu waxtaan bi bi ah, côté pavillon pavillon spécial Euh, évasion maanaam daw euh, suñu benn détenu bu tudd pap Mamadou Mamadou Mamadou Sek. waxtaan bi nag dañ si jublu parce que ñu bëri sax neewoon nañu ma euh, jarul jaru ko parce que def ngeen benn bataaxal ah lu ñu naan communiqué ah, fukki fan ak benn ci weer bi ñu ñu nekk na man leen xam nga du doy

te itam ñii suñu bëggee xam il faut nga ñëw toog waxtaan ak ñoom surtout ñun ñii nga xam ne ci li ñuy liggéey xam nga nee nañ nettali ci ci ci làmmiñu borom te ñun yàlla daf ñu nattoo ñuy liggéey ci ci kaso yi mais moomuñu ko day loo xam ne dañ ko bokk ak ñëpp dañ ko bokk ak euh, sénégalais yi dañ ko bokk ak képp kuy dund Sénégal dañ ko bokk ak àdduna ba tax na euh, day baax léeg-léeg ñu toog su dee réeroo dafa am ñu ñëw waxtaan wax ñu lu ñu xalaat ci mbir bi balaa may xuus ci ci euh, lu fi indi bëggoon rappeler tuuti mission administration pénitentiaire parce que euh, kuréel la boo xam ne euh, képp koo xam ne da nga war dem kaso muy këyit bu la fa yóbbu da ngay nekk su suñu responsabilité donc képp ku ñu am mandat dépôt nga dem di xaar wala ñu tëj la ñu ñoo lay yore ci yore boobu tamit dañu am ñaari sas sas bi su njëkk mooy kaaraange bu si topp mooy euh, réinsertion mun naa ko euh, traduire rek mooy tabax nit nit nu mu duggee ci kaso bi ñu fexe ba suy génn mu tane mu changé mu changé melokaan donc kaaraange bi karange bi nag dafa yaatu. Euh, kaaraange bi lu ci jiitu mooy nit bu ñu yoree warul gaañu suñu loxo warul gaañ nit mais tamit fi mu nekk ci kaso bi waru fu mën a génn kaaraange bi gën a yaatu loolu ndaxte ñun dañu sas képp koo xam ne dénk nañu ñu war ko dundal faj ko saa yu ko saa yu ko soobee waaw te du ci fay dara donc ci gàttal loolu moy mission karange administration pénitentiaire réinsertion mom moy tabaxat. xam ngeen activité de réinsertion yu def yoyu du ma ko du ko fi développer parce que du loolu sax moo tax ñu top fi je crois que l'aspect sécurité ci lay gëna a insister donc pour ñëw euh, Pape Mamadou Seck ni ngeen ko xamee yéen ñëpp euh, dañu ko euh, placé sous mandat dépôt ñaar fukki fan ak ñeent ci soin deuxième cabinet bi ma placé sous mandat dépôt lutax ñu top ko duma ci ñew euh, inspecteur bi version française bi vraiment euh, dans les détails vraiment chef d'inculpation donc le le 29 juin lañ placé sous sous mandat dépôt pour Rebus. pour Rebus, pour prison de Rebus. maison d'arrêt et de correction de de Rebeuss euh, ba y fa le jour boobu def na a yegsi na fa ay xaritam ay moromam ah nous xam beaucoup ñu mu bokk dossier ak ñu mu bokkulul dossier parce que Rebeuss day jot mandat dépôt yu jógee tribunal Rufisque euh, tribunal de Pékin, mais également tribunal Dakar je crois que jour boobu ñom ñëpp suñu len xayma mod nañ euh, juróomi fuk euh, détenu donc xam nga so yexé euh euh kaso ce bëss bu njëkk am nañ luñ naan ci tubab admission so ñëwé dañ lay teertu dalal la mu am procédure formalité yo xamné dañ koy def moy dañ la photo laaj la noo tudd renseigner bulletin bi

xool la examiner la am na infirmier parce que euh, ñun fanweeru fanweeru ak juróom-ñaaru kaso la ñu am kaso bu nekk am na infirmerie ci biir boo xam ne mooy def liggéey boobu moom nag ba mu yegsee euh, ñu examiner ko mu waxtaan ak infirmier bi waxtaan ak infirmier bi ñu kii ko xool situation ñu xam ne ne euh, dafa feebar dafa feebar donc war na am prise en charge boo xam ne ñeneen yi ci ëllëg muy fan fan ci euh, ci docteur bi docteur Famara Seck ñu il faut que ñu wutal rendez-vous hôpital de Dantec fu ñu dem xool ko parce que day koo xam li ñu gis ak lu ñu en charge ci infirmière ci le docteur bi wut rendez-vous hôpital de Dantec mu me rendez-vous bi benn fan ci weeru juillet xam nga loolu du lu yomb man de man xam naa ak yéen ñi sax mu leen ko am nga nga ñëw tey suba nga laaj rendez-vous surtout ci spécialité ñu accordé la loolu lay wan rek farlu ñun bu am su suñu euh, gestion ñu ñu ñu dénk waaw ñëw na gis nañ ne yaram bi suutante na ëllëg si ñu tul ko rendez-vous hôpital de Dantec euh, suutante bi nak da ko indaale da ko indaale parce que euh, ñi nga dossier médicalam dossier médical nak xam nga nek c'est secret donc du ma ci mën a dugg yoon mayu mais rek ci ci misal gis nga li ben euh, bulletin d'analyse en tout cas hôpital 2021 mi ngi ni bu 2021 donc février février mom peut-être que ñëpp mënuñ ko bañu a mais kenn duko lam lamé parce que day do xam duko indalé donc bañ amé euh, rendez-vous bi le premier mu dem consultation

que médecin Sénégal yëpp médecin détenu lañu détenu bu feebar fu may fajoo fi ngeen di fajo. moom foofu lay fajoo daanaka hôpital de Dantec suñuy wax rek hôpital de référence le ci ci ci ci Sénégal nous naa wax sax ci ci sous-région donc si la dem ci consultation bi médecin bi recevoir ko examiner ko médecin beaucoup de recevoir examiner ko nekul administration pénitentiaire man mi sax xaw waaw xaw ma musuma ko gis spécialiste le mu defal ko billet d'hospitalisation bi comme nous mu la ko bu photo comme nous mu la ko dossier médical la euh, waruma ko meuna partager mais dama leen kay wonni rek au moins ngeen gis ko ba ko examiner il ko ak bu mu am na pavillon spécial da noir sur blanc pavillon spécial parce que pour gérer mayu ko euh, parce que rëbës am infirmerie am na ñoo xam mais lañ leen di donc ci lañ ko euh, pavillon spécial

dafa diis man euh, daje naa ay dëkk yu bëri yoo xam su ma seet ñom euh, pavillon spécial dañ ma naan ah directeur man mom man bëgguma grâce de man alu ah, tax ma ne dama bëggoon tok faju loolu dañuy wone que prise en charge bi au niveau de de de de de du pavillon spécial des prise en charge bu 10 lo xam ñuko euh, ñu ko mën attan bëriwuñu ba nit ñi dañuy bëggo tok fofu ba faju faju ba wër donc ci lañ ko yóbbu fofu bañ ko yóbboo fofu le premier donc soo leen seetloo rëbës daanaka ñaari goudi la fa def ci ben fan ñaari goudi ba mu ñëw le 29 ci Goudi, la fa fanal le 30 ñu wutal ko rendez-vous le premier mu xey dem pavillon spécial ñu transférons ko sur biais d'hospitalisation du médecin, avec bien entendu l'accord du médecin-chef de l'administration pénitentiaire. acceptons que vous fou suivre du docteur B lu ñu ko war a defal yëpp ñu koy defal subak ngone subak ngoon chaque jour soins yu mu jot mu jot ci ci anam seulement euh, ci guddi juróom-ñeent jëm fi fukki fan ci weer bi ñu nekk lañ ma lañ ma woo ne ma Pape du Seck dem na maanaam def na ay pexem ba génn kaso bi loolu nag muy dëgg bi mooy dëgg bi def na ay pexem diggante le 9 le 10 juróom-ñeent jëm fukk fan ci weeru juillet def na ay pexem ba nax na ñu ko doon ñu ko doon ñu ko waroon euh, saytu ba dem na loolu mooy lu am te loolu mooy dëgg bi te mooy lu wóor maintenant

amul kasso aduna budul am bu dul évasion mais moy li ñu koy tuddee incident ñun buñu ñu gën gëna metti en tout cas ci profession buñu nek. nekk nga nekk garde wala nekk ci kasso yoré ko ñu né détenu nax na la demna lolu su amé rek c'est parce que yow mi yor ko sét saytu yow mi yor ko sét amna luy sa boor ba tax na euh, dem bi su amee dañu koy nangu wax ko après nag def lu ñu war a def parce que lu lu am solo mooy ñun suñu liggéey liggéey liggéey takk der bu ñuy def nii euh, dañuy dañuy anticiper comme ni ko tubaab di waxee lépp lu war a am ci kaso ñun xam nañ su amee lan ak lan ak lan la ñu war a def. Nous bayé fait am ñu tok di donc évasion bamu directeur bi bi fa ak surveillant ñu fa nek ñom informé nañ patron qui xamné responsable juroom ñetti nek Dakar Dakar yépp ma man ma wax directeur bi comme dañ juge du deuxième cabinet de ko wax ko ko wax ko procureur loolu moy lu su mais ñu dem xol def constatation yu mais li nak la mu nekké parce que lo gis rek explication na mais la def ba dem lolou ñu ngi ci amna na élément yoo xam am nañ ko mais lo gis rek balaa ngay wax apam dafa war jot donc def nañ constatation bi euh, poli officier de police judiciaire yëg nañ ko ubbi nañu enquête administrative parce que xam nga évasion su amé ñëpp ci am parce que c'est un délit yow yomi. yow ñu dénk surveillance bi amna ay charge yo xamné ne mën na peser sa kaw parce que ak lu ti xaw négligence mom il faut mu top la ak lu ti xaw donc ubbi nañ ak enquête administrative on a pris des mesures de lañ ay mesures conservatoires tout le temps ñu way waaye lan ngeen def mais amna lo xamné tamit suñu koy def mais day yem suñu biir amna lo xamné dafa bokk biir administration pénitentiaire

boo tribunal moo koy saytu de ce fait que y euh, mesures yi ñuy jël yépp yu concerné euh, agent administration pénitentiaire Ce ngeen jël bala ngeen yegg na rek amna le lu de daan fekk ñu place mandat de té mandat dépôt c'est une action action judiciaire maintenant ñun sur le plan disciplinaire hein, on a pris les mesures yo conservatoires pour vraiment yo xamné ne ñi yobbu ci fu dëgg bi nekk fu dëgg bi nekk xam déjà ki dem lu mu def ba dem té tamit fexé ba luñu nous ñu dalat xam loolu tam mu am solo ci mbir dala la da nga wara xam nakala pour nga responsabilité ku def ak ku deful ak ko mais également def tout ba li la daloon bu ma la dalaat jàngat jàngat bu am solo la boo xam ne ñu ngi ci ñu ngi ci nekk enquête bi nag mi ngi dox ñu ngi ci kawam am na ñenn élément am nañ ay élément mais motagul su matee ñun dinañ ci jël ay matuwaay tam xool nag la ñu koy yeggalee tamit parce que lépp tamit la ñu war a communiquer parce que tamit. Euh, nous dañu nekk service euh, le caractère secret de la défense et de la sécurité dans la am solo ba mu mes tamit ci première waxtu yi waxtu yu jiitu yi def nañ avis de recherche et d'arrestation xam nga que nga def communiqué ay kii il faut que def ko parce que soo defee communiqué les gars, a tas te ñu war a taxaw pour baare ko ñu war a taxaw pour xool fu mu nekk dañ leen di jiitu donc loolu yëpp dañu ko def ba pare soog a def communiqué bi donc police ak gendarmerie yëpp yëg nañ ci waxtu yu njëkk yi que Pape Modou Seck génn na ci kaso bi daw na waaw génn na ci kaso bi taw na te man soo leen seetloo man saa yi may wax ak ñi ñi ñi heureusement heureusement euh, évasion génn daw bokkul torop ci esprit Sénégal sénégalais gis nga camp bi ñu nekk tey tey suñu bon bunt bi ne dem leen suñu bon bunt bi rek seetaan maanaam soo jëlee euh, téeméeru pàcc juróomi ñoy dem mais ñeneen dañuy tok dañuy tok teggu tuuma dignement mais nak juróomi dinañ dem aduna nak nol la tamit il faut que ñu accepter donc euh, les recherches se poursuivent Manam. set bi mi ngi continuer ñi ngi continuer fu

So, amé lula lula metti wala li nga nga bëgg a ñaxtu defee ko neneen lulul di di daw wala di grève de la faim parce que dalay perte loo temps rawatina daw parce que comme ngeen ko xamé daw day yokk xar bi karaw parce que so dawé liñ lay topé day tagu daw bi ñëw yokku ci parce que daw c'est un délit bo xamné le code pénal prévoir nako té dan nako donc de vraiment ni détenu suñ ko éviter ko parce que solo perdre temps eh, Sénégal aduna mom eh, day yag yag rek ah, la la di nga solo euh, j'espère que vous lu Moi, Je damay lancer un message à Pape Moumoudou Sek. je crois que Amna solo trop parce que quand nga évasion su nous ñun ñi administration pénitentiaire il a une responsabilité c'est une faute matta di la suñu suñu suñu suñu boor parce que nit waruñ la ko mun dénk mu dem ak nu muntu demee donc ñun suñu part de responsabilité ci loolu dañu koy assumer waaw te luñ ci war a luñ ci war a def lépp ba situer responsabilité yi benn ñaar li ñu dal du ñu dalaat dinañ ko def mais tamit lent am na kii dem

faju parce que soo gisee ñëpp ko pavillon spécial te ñi mu ñi nekk rëbës kenn xamul seen lim ay ay ay ñaari julli lañ moom ñu jël ko fa mu def benn fan ñaareel bi ñu wutal ko rendez-vous spécialiste ñu gis ko ñu ne ko toogal fii ñu bàyyi ko mu toog foofu c'est parce que ñu ngi jéem a dab àq ak yelleefam te bëgg nañu mu faju donc na dellu si pour faju ben ñaareel bi na dellu si teggutuma damay ñaan aussi citoyen bi sénégalais yi vraiment ñu ñu jàppale ñu ci wa so luy gisee également division bi dañ def une division large hein nam wax nañ ko police wax nañ ko gendarmerie mais ñun suñu compte Facebook def nañ ko ci parce que tam nit su rëccee da ngay def une diffusion large avec sa photo du tiagané dañ ko bëgg euh humilier wala dañ ko bëgg mais du non la procédure loolu la nit soko ko bëggee gis ah da ngay envoyer rechercher avis de recherche nga tek ko fep fo xamné nit mën nako ko gis ah su ko gisee signal leen ko donc ma ngi ñaan vraiment euh, sénégalais ñu ñu jàppale ñu si parce que euh, ñun si suñu liggéey dañ naan un évadé

Euh, détenu avec nekk pavillon spécial naam ay détenu mais malade bi malade bi moo détenu parce que xam nga nga feebar rek am yenn feebar yi la waaw su la nga nekkaat kaso dafa ce qui fait que le euh, euh, traitement bu détenu pavillon spécial am nekkuma fi di justifier quoi que ce soit aussi

Euh, teggituma vraiment maa ngi leen di gërëm di leen sant ah vraiment ci ci ci wuyusi bi di wax ne nag euh, mbir bi moom du leneen lu dul toj kaso noonu laa ko mun waxee ci olof toj kaso génn waaw parce que kaso moom ah euh, suñ la génnee corvée ci biti sax ci buntu campagnat sax nga jóge fa daw ñuy wax da nga naan da nga toj kaso dem

Euh, pour la version française, comme j'avais dit tout à l'heure, euh, je, vais, je vais laisser le soin au, à, l'inspecteur euh, euh, vous lire la, déclaration qui a été préparée à, cet effet. C'est bon Merci. Inspecteur Mbessar. Je, crois que je vais, je vais lui laisser le, le, fauteuil pour ne pas avoir à déplacer les micros.

crois que comme euh, nous ko je vous lire la déclaration portant point de presse sur l'affaire Pape Mamadou Seck. Le présent point de presse a pour objet d'édifier l'opinion publique sur l'évasion du détenu Pape Mamadou Seck survenu à la maison d'arrêt et de correction du pavillon spécial où il est détenu pour des raisons médicales. Malgré le communiqué de presse de la DAP en date du 11 juillet 2022, l'affaire continue de défrayer la chronique. C'est pourquoi, dans le but de lever toute équivoque et satisfaire un besoin de communication, nous avons décidé à nouveau d'informer sur le sujet. Je voudrais avant toute chose rappeler la mission de l'administration pénitentiaire qui consiste conformément aux dispositions législatives et réglementaires, à assurer la sécurité et la préparation à la réinsertion sociale des personnes placées sous main de justice. Elle consiste dans l'intégrité physique du détenu, de lui assurer une prise en charge alimentaire et sanitaire correcte, mais également à le définir jusqu'à ce qu'une décision de justice intervienne pour son élargissement. Toutefois, il peut arriver qu'une personne prenne volontairement le risque de rompre le lien de la détention en s'échappant de l'établissement pénitentiaire où il est détenu. Et on parle dans ce cas d'évasion, qui est un délit prévu et puni par le Code pénal. Et c'est justement dans ce cas de figure que nous sommes, avec l'évasion à la maison d'arrêt et de correction du pavillon spécial, Pape Mamadou Sek. Pour rappel, Pape Mamadou Sek a été placé sous mandat de dépôt le 29 juin 2022 à la maison d'arrêt de Rebus par le juge d'instruction du deuxième cabinet près le tribunal de grande instance de Dakar pour, je cite, complot contre l'autorité de l'État, acte de nature à occasionner des troubles politique grave et à compromettre la sécurité publique. Association de malfaiteurs en rapport avec une entreprise terroriste. Destruction de biens appartenant à l'État. Détention et transport de produits et substances incendiaires en vue de la commission d'actes en rapport avec une entreprise terroriste. À son arrivée dans cet établissement, il a été soumis aux formalités d'écrou et d'examen médical conformément à la réglementation. Deux jours seulement après son séjour à Rebus, et compte tenu de sa situation sanitaire, Pape Mouroussek a été transféré à la maison d'arrêt et de correction du pavillon spécial de l'hôpital Aristide de Dantec le 1er juillet 2022 sur la base d'un bulletin d'hospitalisation délivré par son médecin traitant après avis conforme du médecin-chef de l'administration pénitentiaire. Ce transfert ayant pour unique but de lui assurer une meilleure prise en charge sanitaire. Je voudrais rappeler ici que la maison d'arrêt et de correction du pavillon spécial est une prison hôpital destinée à recevoir des retenus de tout le Sénégal, malades et dont leur état de santé le justifie, et ceci sans aucune distinction. D'ailleurs, faudrait-il rappeler, l'admission d'un détenu au pavillon spécial est du ressort exclusif du médecin-chef de l'administration pénitentiaire. À son admission au pavillon spécial et durant toute son incarcération, Pape Morusek a bénéficié d'un suivi médical permanent dans le respect du droit à la santé reconnu aux détenus. Il a bénéficié sans rupture de toute l'assistance dont son état de santé nécessitait. Malheureusement, dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 juillet il a rompu volontairement le lien de la détention en s'évadant de la maison d'arrêt et de correction du pavillon spécial. Ainsi, conformément à la réglementation régissant l'organisation et le fonctionnement des exercices pénitentiaires, un compte-rendu a été adressé aux autorités administratives et judiciaires. Également, le dispositif de recherche a été enclenché et se poursuit pour élucider les circonstances dans lesquelles l'évasion s'est produite et situer les responsabilités, une enquête administrative a été ouverte et confiée à la division de l'inspection des services pénitentiaires, sans préjudice des éventuelles poursuites judiciaires, le cas échéant. Pour terminer, l'administration pénitentiaire invite la population à une meilleure collaboration pour la réintégration du détenu évadé. Je voudrais vous remercier tous. Et pense que